Eh. Beaucoup de gens courent derrière les sous, d'autres derrière les femmes, d'autres derrière les folklores qu'il y a ici-bas. Ce monde est vanité, je sais que tu l'as réalisé. Je suis pas dans la course, c'est pas le départ qui compte, mais l'arrivée. Yeah, yeah. Adjubix, mmh. Adjubix, hey, laisse-moi dormir, quoi que te disais, bien encore. Non, non, non, courage. Hein. Oui. Il veut quelle heure 8 heures passées, moi. On a encore un. Man, c'est Philo. Hein. Philo Oui. Il sait très bien que je maîtrise Regarde comment ton ça. ça, tu bien hein? fais comment là plutôt Donc je prépare un bon Et ensuite c'est encore mieux mon pote. Il faut rentrer dans ma chambre pour Il faut pas cuisiner avec ton bout de fesse Là, on est <laughs> Il faut un très bon là. ça. On fait ça. Tu peux prendre le gaz de maman aussi. D'accord. encore? comprenez Good morning. Ah. People, good morning. C'est comme tu n'as toujours pas fini. Ah, Il y a la vie qui déclenche son gaz, man. Ah, un peu, montre-moi, montre-moi.

Nous, toutes les matières sont de base. je donne Je t'assure, mon frère, qui a géré. Azel Pato qui reflète la réalité. Non, <laughs> tu vous connaître la petite. Moi, je dis que tu n'es pas petit. C'est ah, toi qui es fort, mon pote. Je t'assure. Mon petit, tu vas voir. Vous allez vous montrer ça. Imed Ouais, le bac c'est de l'eau. Vous allez voir ça. Le bac c'est de l'eau. Ah coup, le bac c'est de l'eau. Ouais <laughs> Les gars, on verra bien. Vous allez voir, miracle. Ouais. Bon, les gars, on va tout là Sinon, bon congé de révision. Ok, bye bye. Sinon, tu vas beaucoup nous manquer. Vous allez beaucoup nous manquer aussi. Eh, surtout moi. <laughs> Moussozo, la pile là, je vais la gérer aussi. Après le bac. Attends, tu vas voir. Attends. Ok, les gars, je vous laisse. Hein. Ok, d'accord. Sinon, il dit occasion. Eh, hey, petit, je suis avec Az. C'est qui tiens le choc qui a dedans. Ah, <laughs> petit, mon papa. Ouais, scratch, moi. Man, on se met pas chez moi. Hmm? Et puis on part chez moi. Oui, c'est encore, mais on passe chez toi. Ah, ah. Merci. Merci mon frère. C'est bon Là tu m'as sauvé. N'est-ce pas Là tu m'as sauvé. Il chaud. N'est-ce pas Eh la maman elle est où Je dois la saluer au moins. Au-delà, parle kay tu es Elle est tout le temps souriante, tout le monde. Elle est bien hein. elle est gentille. Non, c'est Abdelazizou Abdelazizou Abdelaziz, hey Aïna Nous nous, ton machine Aïe, mon doux, quand fabume fabume sun masa kullo wannan tun duka kon dai sai man shi aha to sonda girko ba sonda aha to ai goka c'est juste dans le village amana ya nodin musambu albarkantai ziyan iko idan albarka da ngaran ga iko maran tawo iko maran maran tawo gwamnati Même si tu sais qu'à jamais papa ne reviendra Une chose est claire, tes enfants sont là Imuna fata mu dauka ka dans le Allah, zaki hukawa Fata na Allah baki sawo à rayuwa Sai ti arzaka ne gin ka tabo kulura Aikin tes tes sans entraîner ai sin gribana Pour ça je dis Man, voilà, ouais. tu vas transporter ce truc-là jusqu'à où Bon, c'est ici quoi, c'est juste à quelques mètres ça serait pas mieux qu'on appelle un petit lui donner le contrat pour qu'il vienne ça. Non, man, c'est l'amour d'une mère, on ne pas avec ça. Toi aussi. Ouais, je dois faire ça moi-même. En tout cas, ça a l'air d'un devoir secret. On peut dire, tu apprends toujours avec moi. Comment tu peux sortir avec ce pauvre type-là, alors que moi je suis là Tu as osé me faire ça. Vous allez voir. Vous allez lamentablement échouer. Vous allez voir. Alpha, ay ga banimi jangandi ina andu nyara ni kahin ay suruma salo ko to kai ka duniyara kala lokato ka ay ko fana inna mino hiti ba Au moment ne t'inquiète pas, même si tu sais qu'à jamais grand ne reviendra. Une chose est claire, tes enfants sont là. Imuna fata muda kaka adunia insha Allah zaki hutawa fata na Allah baki tsawo na rayuwa sai ta arzaka ne gin ka tabo kuluwa aikin dai sai sa san traina ai sin gin bana pour ça j'ai décidé de chanter pour toi sakani mata kap duk na duniya inna ke tsaruma ai sin da nikina an dunyara an dunyara nikahin ai suruma zalo ka tokai ka duniyara kala lokacin ka ai Au moment, ne t'inquiète pas, même si tu sais qu'à jamais grand ne reviendra. Une chose est claire, tes enfants sont là. le fata muda kwa dunia. Inch'Allah, zaki hutawa. Fatana Allah baki sawona rayuwa. C'était arzaka kata katabo t'es Aikite ses traînera isinigri bana. Pour ça, j'ai décidé de chanter pour toi. Sakani mata kap Tukna na dunia. assalamu alaikum an yi za salama ai sai ni gane rashidi assalamu alaikum mu da ubawu sunana abishek abiola ici c'est uh, votre uh, ami Moussa Sarafin PDG Niamey Dream Team Sumaila Mzi a yankin gona kanka dinka tai feji gunguri feji gunguri sun tunano yabo Tintina no. In kanta. Mm, in kanta. Ai ba shaitan foto. Ni ba shaitan foto. Na'am. Ha, biti ni fo ngo mi. Ni ba ai wo mai no. Corona virus su gun mu o barkan Ni kan bai yin mun furu amma kai ne wucin fuwan dai na goyi biran dai kwar ko mata eh ber na masal ban mate Ni masal ban Mate dai can safari can safari Ni ban ni sun da masala zongundo tachi nago zongundo tachi ayo man kulka ne wai kwachi ta tachi folon nago ni chan safaro ngene ya wone mumbai har har no fakene mata bai tasi susu bai ma hangan ni kaurufu ji hmm. ni ma hangan ni kaurufu chango o oh, ago chango ne gangan oh, ko kaurufu no kai no